le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Bienvenue à tous dans le Forum de la presse de ce vendredi 29 juin 2018. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec euh, des confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Les programmes du studio Kalango sont relayés en direct chaque jour dans 34 localités du Niger et ce, de 17h à 19h les jours ouvrables et de 17h15 à 18h15 minutes les week-ends. Au menu du Forum de la presse de ce soir, en sport, fin de parcours pour l'ensemble des cinq pays africains participants à la Coupe du monde de football Russie 2018, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, le Nigeria et le Sénégal éliminés dès le premier tour pour diverses raisons que nous verrons ensemble avec nos invités. Autre fait qui défraie la chronique ces jours-ci, c'est le viol d'une fillette de 10 ans à Bagzan, dans le département de Chirozérine, région d'Agadez. L'auteur serait le fils d'un notable selon le journal Air Info qui a relayé l'information. À suivre aussi dans ce forum cette énième interdiction des journées d'action citoyenne des acteurs de la société civile qui luttent contre certaines dispositions de la loi des finances 2018. La dernière en date remonte au dimanche 24 juin où un important dispositif sécuritaire a empêché tout, rassemblement et pour une fois, les organisateurs disent avoir pris connaissance de l'interdiction sur les réseaux sociaux. En politique, de l'affaire qu'il convient peut-être d'appeler affaire Abdoulabo, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, en son audience de référé du mardi 26 juin 2018 passé, a débouté Abdoulabo dans l'affaire qui l'oppose à certains militants du parti, la Convention démocratique et sociale CDS Rahma. La Cour a constaté sa déchéance de son poste de président du parti CDS Rahma à suivre les analyses de nos invités sur l'avenir politique de l'intéressé et les éventuels rapprochements qu'on peut faire avec le cas Mamadou, le président du Modern Faloumama Mama. Le forum de la presse reçoit ce soir Roufaï Dandoua, journaliste indépendant. Bonsoir Roufaï. Bonsoir. Elage Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir Suleiman. Bonsoir. Ousseini Issa avec nous également, euh, journaliste indépendant également. Euh, Ousseini, bonsoir. Nous attendons d'un instant à l'autre Sidi Ali, journaliste, analyste politique. Présentation de cette émission à Lassane Kouzi Mohamed. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Forum de la presse que nous ouvrons ce soir par du football, la Coupe du Monde Russie 2018 avec la sortie de la compétition des ambassadeurs de l'Afrique, à savoir l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc. Alors tout de suite, nous allons commencer euh, par vous, Rufai. Euh, Rufai, peut-on parler de sorties prématurées Qu'est-ce qui a manqué aux équipes africaines prises collectivement et individuellement dans cette coupe Merci, euh, euh, je me rappelle ici sur ce même plateau, euh, je disais que euh, la meilleure prestation d'un pays africain dans cette Coupe du Monde serait peut-être un quart de finale, si toutefois un pays serait qualifié. Et je disais bien sûr que le seul pays sur lequel moi je pouvais compter, c'était le Maroc. Malheureusement, le Maroc était tombé dans une poule très difficile avec l'Espagne et le Portugal. Et on a vu que euh, ça a été difficile pour le Maroc euh, malgré l'arbitrage vidéo qui a été en sa défaveur. Mais je pense que je, suivais tout à l'heure en, venant quelqu'un qui disait que euh, les équipes européennes n'avaient rien de spécial comparativement aux équipes africaines. Vous pensez le contraire Non, arrêtez et ils ont beaucoup euh, de spécial comparativement aux équipes africaines. Quand vous prenez les joueurs qui composent des équipes africaines, et vous voyez des joueurs qui jouent en quatrième division en Europe, alors que quand vous prenez un, un pays comme l'Espagne, par exemple, il a tous ces joueurs qui jouent dans des grands clubs et qui sont titulaires. Il y a la discipline aussi qui est là, qu'on ne trouve pas ici dans nos pays africains. Donc je pense que dire cela, ce serait même eh, mm. une insulte à l'endroit de, ces équipes qui mettent des moyens colossaux pour former d'abord eh, leurs joueurs, pour eh, encadrer les staffs. Il y, a beaucoup de choses, il y a beaucoup de différences entre les pays africains. Pour vous, pour vous c'est, donc euh, si on en est arrivé là, c'est parce que quelque part les conditions étaient on n'a euh, pas le niveau. largement de ça. on n'a pas le niveau comparativement aux autres pays euh, européens. Il reste 16 euh, pays qui, vont jouer les 16e de finale. 10 sont européens, 5 sud américains et un pays asiatique. Mm. Les 5 pays, les, 4 pays sud-américains ou les 5 pays sud-américains qui se sont engagés sont tous qualifiés. Tous les 5 pays. Les pays européens, sur les 15, 10 sont qualifiés. Nous, les pays africains, sur les 5, aucun n'est qualifié. Je pense que eh, tout est dit. pour vous, vous voulez cela aux conditions aux moyens. Je dis d'abord qu'on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. Quand vous, prenez par exemple l'Égypte. Le niveau est quoi d'autre oui, Prenez par exemple l'Égypte, qui a Mohamed Salah, l'un des meilleurs joueurs actuellement en Europe. Mais mm. en dehors de Mohamed Salah, il y a quoi il n'y a rien. Ça veut dire qu'on ne compte que sur un seul joueur qui est Mohamed Salah. Et il se trouve que Mohamed Salah était parti à la Coupe du Monde et blessé après la finale de la Ligue des Champions il n'a pas joué le premier match. Et lorsque vous comptez sur un joueur qui ne joue pas, ça veut que eh, vous êtes largement diminué. Donc c'est ça que vous trouvez dans ces pays africains. C'est la même chose au Sénégal avec Sadio Mané qui est la star de l'équipe, qui s'est trouvé diminué parce que fatigué et après une longue saison, il n'a pas fait un, grand tournoi et le Sénégal s'est trouvé et, eh, orpheline de sa star. Donc c'est un peu comme ça dans toutes les équipes et à la fin, vous voyez qu'on n'a pas, et le niveau n'est pas le même d'un joueur à un autre et à la fin, on, se fait éliminer. Et là, Suleiman Mamadou, euh, euh mon, ma première observation, c'est de constater euh, que euh, les joueurs africains peuvent effectivement développer des, compétences pour aller se vendre, faire carrière donc, dans ces grands pays. Mais quand il est question effectivement donc, au niveau du pays, comme Rafael l'a dit, euh, c'est de constater justement, par exemple, le Nigeria, ils ont beaucoup de joueurs internationaux, mais une fois ensemble, euh, non seulement quand ils jouent, on se rend compte qu'il n'y a pas cette cohésion. Euh, bref, je pense que ce que Faye a dit est consistant dans la mesure où, en tout cas, c'est une, c'est une, réalité. Si tous les pays quatre ou cinq pays qui, qui, qui avaient participé donc n'ont pas n'ont pas vraiment fait en tout cas des exploits ce que quelque part, effectivement, il y a un travail à faire. Et ce travail à faire, certes, euh, justement, euh, je suis d'accord, peut-être ailleurs, il y a plus de, de, moyens qui sont mis, il y a plus de suivi, il y a plus de discipline. C'est des éléments, en tout cas, appréciés. Mais je me rends compte que, en tout cas, l'espoir suscité, donc, euh, par exemple, un pays comme le, comme le Sénégal, euh, on a vu euh, que véritablement cette année, euh, franchement, c'est très décevant, c'est très décevant, en tout cas au niveau africain. Je pense, bon, comme dirait l'autre, il faut que ce soit une opportunité pour davantage donc réfléchir que faire désormais, en tout cas pour le football africain, comment inverser la tendance, parce que, bon, véritablement, nous avons des de, ressources humaines qui, en tout cas, font montre souvent vraiment de, de, génie de l'autre côté. Donc il va falloir maintenant comment faire capitaliser cela au niveau africain. africain. Euh, Issa Ouseni Bon, mais je vais prendre leur contre-pied, les deux. Parce que d'abord, il y a un problème d'arbitrage très flagrant, notamment le match. Pour le Maroc. Le Maroc et le Sénégal. Il y a un penalty qui était clair. L'arbitre et parti consulter, regarder, euh, comme avait dit, la vidéo. pour venir dire que non, il n'y a pas de penalty. Vous parlez du Maroc contre le Portugal, non, je parle du, Sénégal, le Sénégal, Et le Nigeria. Moi, je vais mettre ça au devant. C'est-à-dire, quand on dit non, les Africains, non, non, non, jusqu'ici, ils ne sont pas matus pour pouvoir avancer. Je suis désolé, c'est eux qui font fonctionner le football ailleurs dans les clubs. Et quand ils viennent, ils se donnent à fond. Et c'est des individualités. Et je vais prendre les individualités. Je me rappelle Maradona en 2000, en, 82. En 82, je crois, il est venu, c'était l'espoir. Il n'a pas pu changer. Quand il est revenu deux ans après ou quatre ans après, je ne sais plus exactement, il a changé la donne. Moi, les individualités, c'est ça qui fait le sport. Dans, tout, dans toute discipline, les individualités comptent. Maintenant qu'on dise non, ils ne sont pas. Ils vont devenir matures quand Quand l'arbitrage, parce que au niveau de RFI, j'ai suivi des débats où les gens ont clairement... Beaucoup, sur beaucoup de médias, sur beaucoup de médias, on sent que non, l'Afrique est venue, l'Afrique a cinq équipes, qui, cinq pays qui doivent être là. les équipes, elles sont là, elles ont fait, elles se sont battus. On dit non, on met l'accent sur des individualités. Dans toutes les équipes, c'est les individualités. C'est d'abord des individualités avant d'être le, le, machin, le collectif. le collectif. Mais pourquoi faut-il critiquer l'Afrique sur la base pour du vous, fait que... Pour vous, Ousseini, c'est vraiment c'est l'arbitrage. Non, moi, pour moi, parce que le Sénégal ne devait pas perdre. Et il y a deux jours, avant-hier, c'était quel jour C'était avant-hier. Hier. Parce que si le penalty a été accordé, ils allaient marquer. Et on a vu comment ils se sont déployés pour Et un nul pouvait, pouvait les faire créer. Et un nul pouvait créer les conditions pour qu'ils continuent. Comment veux je dire euh, la compétition. je pense que c'est trop facile d'accuser la, la, non, la, je vais facile d'accuser la Il va finir Rufai, mhm. va finir. Mhm. Laisse-moi finir. Moi, moi c'est trop facile aussi de dire on met pas les moyens. on a beau mettre les moyens. Moi, je dis d'abord le sport c'est une question d'individualité. Je suis là, je défends une couleur, je défends un drapeau. Je suis sur le terrain, je vais me donner à fond. Les gens vont dans les championnats en Europe, un peu partout. Quand ils reviennent chez eux aussi, ils savent que vraiment, on compte, on compte sur eux pour faire quelque chose. Ils travaillent avec les locaux. Ce n'est pas une question de deuxième, troisième, première division. C'est une question de maintenant l'arbitrage. L'objectif. L'objectif, parce que je viens pour faire gagner mon pays, pour faire gagner l'Afrique. Ça allait faire vibrer tous les Africains. On a vu comment ça s'est joué. aussi bien au niveau avec le Maroc qu'avec le Sénégal il y a eu des, occasions claires ou, des fautes. Seulement, on a constaté qu'au cours de, en tout cas, beaucoup de ces matchs, les Africains, les équipes africaines ont tendance souvent à relâcher et à prendre des buts au dernier moment. Oui, mais euh, qu'est-ce qui peut expliquer seulement Le match, le match Sénégal, comment comme avait dit Colombie, c'est les Sénégalais qui ont dominé. La première mi-temps. Non, juste deuxième mi-temps, quand ils ont été marqués, ils ont fait la lutte ils ont fait la lutte jusqu'au bout. Ils devaient égaliser. Ils ont commencé à jouer. Parce qu'ils savaient que avec simplement une égalisation, ils allaient continuer la compétition. Mais ils ont déjà été handicapés à travers ce penalty-là qui a été refusé par l'arbitre. Hum. Et qui était clair. Qui était très clair. On fait un dernier tour de table sur cette question. Le relâchement au dernier moment, on a constaté, en tout cas presque pour toutes ces équipes africaines, souvent ils menaient euh, jusque vers la fin et puis euh, on relâche souvent euh, J'allais faire le lien avec ce que Hossein disait. Et je pense que c'est trop facile d'accuser l'arbitrage. Hein. C'est vrai, il y a eu des, fautes d'arbitrage. On a accusé l'AVAR, donc c'est l'instance vidéo, de favoriser les, grands pays. Oui, il y a eu, même sans, sans, vidéo, il y a toujours eu des problèmes. Mais ce que vous avez dit est important. Hmm. Déjà, le, football n'est pas une discipline euh, sportive individuelle, c'est collectif. C'est pas comme par exemple le taekwondo où Alpha vient, il défend les le couleurs du Niger, il mm. gagne, il est, il est individuel. Ce n'est pas comme le tennis. C'est même les individualités se fondent dans le collectif pour avoir un collectif mm. et bien nulé et aller chercher la victoire. Maintenant, ce que vous avez dit, c'est très important. Même s'il y a le problème de l'arbitrage, regardez par exemple le Corée du Sud-Allemagne. L'arbitre a donné 6 minutes d'arrêt du jeu pour permettre à l'Allemagne de gagner 1-0, de marquer un but et de gagner. Mais Dieu étant juste, la Corée du Sud marque un but à la 92e minute. L'arbitre dit que non, ce n'est pas un but. Ils partent à la vidéo. On voit que c'est un but, on leur rend un but. on parle d'Afrique de c'est pour, vous faire une, comparaison. Hmm. C'est pour vous dire que c'est la Corée du Sud, c'est peut-être au même niveau que le Sénégal, le Nigeria, ou peut-être même moins. Hmm. Mais malgré l'injustice, ils ont euh, pu sont gagner très bien finalement, euh, pour gagner l'Allemagne et éliminer le champion du monde. Maintenant, tous les pays africains, les cinq pays, il faut regarder tous leurs matchs. Du premier au troisième match, ils ont marqué, ils ont encaissé un but ou à la 90e minute mhm. ou à la 95e minute. Ça, c'est un problème de concentration et ça, ce n'est pas un problème d'arbitrage. Donc, c'est pour vous dire que même si l'arbitre est en faveur ou en défaveur de vous, il faut que vous créez les conditions pour pouvoir montrer que vous avez les capacités de gagner avant que l'arbitre soit en faveur ou en défaveur de vous. Alors, eh, Suleiman, comment vous, vous appréciez cet état de fait Est-ce que vous l'avez constaté, le relâchement des, équipes africaines, notamment euh, dans les dernières minutes des Jeux euh, Oui, Rufai, c'est un expert en la matière. Euh, son constat est bien euh, répondu d'observation réelle. Euh, mais de façon générale, en tout cas par rapport à notre continent, ce que je retiens, si ça ne va pas, quelque part peut-être il va falloir, comme le disait, j'ai avec un, il a ce matin qui disait, il va falloir au niveau africain qu'on revoie la façon, en tout cas, comment euh, organiser notre prestation à la Coupe du Monde. Il va donc falloir réfléchir véritablement, créer le meilleur chrono pour chercher l'efficacité, mm. parce qu'il ne suffit pas de participer, mais en participant vraiment, il faudrait vraiment qu'on vienne pour gagner, pas vraiment pour venir faire la comment on appelle, la figuration. Bien. qu'on un pays euh, en, huitième de finale. La première fois depuis 40 ans qu'un pays africain n'est pas qualifié en huitième de finale. Vous voyez, ça veut qu'on régresse. Non, mais moi, je vais dire une chose. je vais rajouter une chose. 10 secondes, c'est dit, nous allons passer à autre chose. Non, honnêtement, honnêtement, mais quel que soit ce qu'on va pouvoir faire, quand l'arbitrage n'est pas juste, on eh, vous, vous insistez sur <laughs> l'arbitrage. parlons, parlons de ce cas de viol à Bagzan, un village du département de Tirozérine, région d'Agadez. Le journal euh, régional Air Info, basé à Agadez, a révélé la semaine dernière qu'une fillette de 10 ans a été abusée par un adulte. Selon Ibrahim Manzo Diallo, responsable du journal Air Info, l'affaire remonte au mois de mai dernier et l'auteur serait le fils d'un notable du village de Bagzan et les parents de la victime au service du notable. Je vous propose d'ailleurs de suivre Ibrahim Manzo Diallo Diallo, il nous résume comment l'affaire est gérée. dire de l'oncle direct même de la fille, on lui a confirmé qu'effectivement la fille, d'après les examens révélés par euh, le médecin, ici à Agadez, l'hymen n'a pas été déchiré. Quand il a convoqué le, coupable à, à Chiro, la gendarmerie l'a gardé pendant deux jours et on l'a relâché au troisième jour. On lui a donné une liberté provisoire parce que le juge a demandé de revenir le 20 juin, c'est-à-dire le mercredi passé. D'après le juge, ils ne sont pas venus. Et pourquoi ils ne sont pas venus Parce qu'ils ont demandé à ce que l'oncle ne vienne pas, mais que le père et la mère viennent eux-mêmes. Ils ont voulu écarter l'oncle. Il y a eu une consultation à tabelote. On sait ici des tabelotes que la fille n'a pas été déviergée, il n'y a pas eu perforation de l'hymen. Mais nous, pourquoi on a ébruité l'affaire Parce que ils ont voulu taire l'affaire complètement parce que l'oncle a décidé de parler. C'est maintenant qu'on veut rattraper les choses. Le juge va les reconvoquer encore. Mais on ne sait pas ce que ça va donner. Ils ont dit, il faut pas que l'oncle revienne. C'est le père et la mère et plus le coupable qui va revenir. Or, l'oncle, c'est lui qui a porté l'affaire. Les autres sont intimidés et ils peuvent facilement retirer la plainte et que l'autre euh, soit en Ibrahim Manzo Diallo, responsable du journal Air Info que vous venez d'entendre. Alors, euh, là, Suleiman Mamadou, vous avez sûrement appris cette euh, information. Qu'est-ce qui retient particulièrement votre attention ou quelle lecture vous, faites de, ce dossier de la J'ai non seulement appris, mais je l'ai partagé sur mon profil Facebook parce que tellement c'est un cas de justice. C'est un cas, euh, vraiment, j'allais dire en tout cas, de violation des droits humains une fille, en tout cas, euh, qui vient d'être violée parce que le père de celui, de l'auteur du truc, parce que c'est un notable, et est protégée. Mais euh, je viens, en tout cas, en écoutant donc l'auteur de cette information, mm. et dire que je comprends pourquoi peut-être on a voulu mettre le silence parce que, euh, vous savez, même dans le cas où le viol est effectif, euh, les gens ont tendance euh, au niveau de la fille, parce que nous sommes dans une société comme un peu jusqu'ici, il faut du travail, euh, mhm. ou même si c'est avéré, le gars est pris en justice, mhm. elle va avoir des circuits au niveau social, donc des préjugés. En fait, elle va être stigmatisée. La victime, la fille. Absolument, tout à fait. Voilà pourquoi les, parents préfèrent même se taire, parce qu'en disant que la fille a été violée, elle est condamnée à ne pas avoir, pas avoir, un mari ça va la suivre. Donc, euh, donc je comprends un peu en réalité, peut-être que quelque part, hein, euh, même avec la justice, on peut chercher, en tout cas pour protéger la fille, ça peut être une, une, une éventualité. Mais je pense que, en tout cas, en l'écoutant, l'affaire est encore moins grave. Je pense qu'il y a une initiative au niveau donc, de la communauté hmm. pour protéger la fille. mais dans tous les cas, en tout cas, de tels cas, ça se passe partout, en tout cas, mais on essaie donc de, de protéger les gens. Donc c'est un cas d'injustice et par conséquent, on ne peut pas accepter aujourd'hui où véritablement euh, on se bat pour les droits humains, en tout cas pour le droit des droits humains, on peut pas accepter qu'en tout cas les gaillards, en tout cas, puissent violer une, une, petite fille et que vraiment on amène la fille à, la justice parce que c'est un fils à papa. Hmm. Non, c'est pas vraiment acceptable. Hmm. Rufaï Dandoua euh, Je pense que ce que dit El Hayou Suleiman, ça a tendance à, disparaître. Peut-être que ça, existe encore dans les petits villages. La crainte oh, que, oui, que la fille soit stigmatisée ou bien qu'elle n'ait pas de, mari. Non, ça, ça aujourd'hui, euh, vu ce qui se passe dans, les grandes euh, villes de, de la capitale et même certains villages, et ça, ce n'est pas un problème. Mais je crois, j'ai vu un film, je ne sais pas, c'est le film de Jengare euh, où on, parle de. C'est pas une, pas quelque chose où une fille a été violée aussi par le fils hmm. du chef du village. Donc lui, c'est même lui qui menaçait la fille de ne pas eh, dévoiler cela jusqu'à ce qu'elle eh, que son père apprenne qu'elle était enceinte et la, chasse et La fille était partie dans. J'ai oublié le nom du film, mais je, hmm. me rappelle l'avoir vu sur grand oui, euh, en tout cas, je, me rappelle avoir regardé ça sur grand. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est eh, le, l'abus, même au-delà du viol, c'est l'abus de pouvoir des, des enfants des, des, riches ou des enfants des, des responsables politiques ou coutumiers qui pensent qu'ils peuvent tout se permettre. On l'a vu, il y a même les enfants des, des, des, des hommes politiques qui font ce qu'ils veulent, qui prennent par exemple les voitures, font faire ce qu'ils veulent parce que pour eux, ils, ne sont pas justiciables comme tout le monde. Ça, ça, ça se voit, c'est ça. Donc moi, pour moi, le problème dans cette, dans cette histoire, c'est le problème d'injustice tu là parce que tu es le fils d'un tel. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc il faut que les gens eh, le sachent. Il faut que les enfants des, chefs, les enfants des responsables politiques, les enfants des riches comprennent que nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Et qui plus, lorsque tu violes une petite fille, la loi doit être sévère à l'égard de toi. Hussein Issa, euh, cette affaire, qu'en dites-vous Ce qu'ils ont dit les deux, moi je résume ça à l'impunité. Tant qu'on ne peut pas combattre l'impunité, il ne sert à rien de dire on amène les affaires en justice et tout et tout. À partir du moment où la justice prend en charge, on constate effectivement que les, faits sont avérés. Il n'y a pas de raison à ce que tu sois d'en haut ou d'en bas. On doit te sanctionner en fonction des dispositions de la loi. Tant qu'on ne le ferait pas, on va rester, on va continuer à dénoncer. Ça va servir absolument à rien du tout. Il faut qu'on frappe indistinctement, que ce soit quelqu'un d'en haut ou quelqu'un d'en bas, mais on ne peut pas dire non, c'est le fils d'un tel. Mais le fils d'un tel là, un tel là, c'est ma chaîne notabilité ou ceci, cela. Mais ce n'est pas parce que tu considères que tu es fils d'un notable ou de ceci, cela, que tu peux penser prendre un enfant. Et d'abord, quand on voit, on dit hein, quel âge 10 ans. Vous avez dit 10 ans. 10 ans. Ça veut dire c'est un fou. Le monsieur, c'est un fou. Mais pas, non, moi, je veux dire quelque part, il faut ou le prendre l'internet dans, dans, les trucs, euh, dans les asiles, machin, ou on On ne peut pas le laisser dans la nature comme ça parce que demain il va continuer. C'est ce qu'on veut dans la société. Parce que si c'est quelqu'un de raisonnable, il va jamais. Avec tout ce qu'il y a, il peut aller dans les maisons closes, les, maisons closes et tout et tout. S'il se permet de prendre un enfant de 10 ans violé, mais bon, on veut quoi on veut transformer ça. C'est un malade tout <laughs> Bien, bien, Nissa. Euh, donc, parlons à présent des journées d'action citoyenne initiées depuis des mois par le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile pour demander la révision de certaines dispositions de la loi des finances 2018 en application depuis janvier. Dimanche passé, le cadre de concertation a encore été empêché de manifester sur la voie publique et pour une fois, les organisateurs n'ont pas reçu la notification. Ils affirment l'avoir lu, avoir lu l'interdiction sur les réseaux sociaux. Alors Hussein Issa continue. Si les manifestations du soir expliquaient euh, les interdictions, qui dire car dimanche 24 juin dernier, la marche et le meeting étaient prévus de 8h à midi à Niamey. Oui mais, ça, donne tout simplement que pratiquement le discours entre ce qu'ils disent, qu'on autorise les manifestations, Aujourd'hui, euh, la dernière fois, c'est une manifestation prévue dans, le courant de la journée. Ça a été interdite. Ça veut dire tout simplement que tous les discours ne tiennent pas la route. Tous les discours qui tiennent, qu'ils veulent organiser des manifestations, Non, moi je dis, en démocratie, à partir du moment où, quand vous ne pouvez pas, euh, où la loi autorise, mais quand vous ne pouvez pas encadrer, ceux qui prennent l'initiative d'organiser, mmh de leur cette possibilité d'organiser. Ah, ils prennent, parce qu'ils sont responsables. Des éventuels déraillements. Des, ils sont responsables. Ceux qui ont signé, plus tout ce qu'on peut prendre, ils sont responsables. Mais systématiquement, vous dites, voilà l'argument qu'on avance, euh, euh, la, situation sécuritaire, euh, on n'a pas les dispositions ou les moi, je dis, dans une démocratie, ça n'existe pas. En Europe, en Occident, un peu partout, les gens manifestent. Il faut laisser les gens manifester parce que ça crée une espèce de soupape. Mmh. Quand la personne manifeste, ça lui permet au moins de libérer. De, libérer L'attention tension. et tout et tout. Mais quand on empêche systématiquement, ça crée quoi Ça crée un sentiment où, bon, la seule chose que je peux faire, c'est de pouvoir dire je ne suis pas d'accord mmh. avec votre façon de gérer laissez au moins à cette personne-là de l'exprimer. De l'exprimer. Et là, Suleiman Mahamadou, que dire de, de, de ces interdictions, la NM du genre, depuis le 25 mars, en tout cas, qui a vu l'arrestation des, des, leaders de, de, ces cadres, dont Nouhar Zika, Changari, Ali Idrissa Bon, a priori, euh, c'est euh, le dire que les libertés de manifestation sont systématiquement interdite, mais euh, il faut le reconnaître, euh, le rapport entre le pouvoir et la société civile euh, ne sont plus normaux. Je veux dire, le contexte, le, président de la délégation spéciale avait donné comme argument donc risque grave de troubles et donc, de sécurité. Et moi, euh, quand dans la semaine, effectivement, parce que c'était la semaine qui avait coïncidé avec euh, euh, donc la déchéance du chef de file de l'opposition, j'ai suivi les audios à l'appel à la violence que les gens faisaient. Mhm. Donc, en tant qu'observateur de l'opinion, en tout cas de, ce qui se passe dans le pays, je savais qu'il y a cette Jacques qui est programmée euh, j'ai je dis que ce que j'entends comme discours d'appel à la, à la, sédition et à la, à la rébellion dans ce pays-là pourrait effectivement amener les autorités à, refuser cette, cette Mais dans tous les cas, euh, ne pas se leurrer. Ce que je pense au niveau de, l'autorité, euh, depuis donc ce qui est arrivé, comme je l'ai dit tantôt, donc l'arrestation des leaders, hmm. Euh, la situation n'est plus normale, c'est-à-dire que le rapport n'est plus normal. Et je l'ai dit en amont euh, pour la, énième fois dans ce, débat. Euh, ce qui avait effectivement changé la donne entre donc, le pouvoir et la société civile, lorsque la société civile avait effectivement donné l'ultimatum au pouvoir, dégager votre loi, ou bien donc, retirez votre loi ou bien dégagez, donc à partir de ce moment-là, elle est descendue sur le terrain politique et le pouvoir se comporte de cette façon-là. Il la traite justement comme donc dans un contexte de revendication politique. Et voilà pourquoi en réalité ils sont très fermes. C'est-à-dire que ce n'est pas autrement que euh, le pouvoir est en train de considérer qu'en tout cas, il fait face à une situation de velléité d'insurrection et par conséquent, il est à ses gardes, donc il est dans sa fonction traditionnelle donc, du, du pouvoir qui est très très sensible à tout ce qui pourrait euh, en tout cas le menacer. Et encore une fois, je le contexte est important pour eux en tout cas. Au, de plus en plus, en tout cas, ce qu'on voit dans les discours politiques, dans les discours, les appels à la, donc, à l'insurrection dans ce pays-là, en tout cas, il est très difficile. Il faut qu'on puisse rétablir peut-être euh, donc l'ordre normal euh, c'est-à-dire qu'on puisse peut-être, euh, dans un dialogue, euh, libérer les jeunes de la société civile, qu'on vienne vraiment dans une situation normale, mais tant qu'effectivement ça continue dans ces conditions-là, il est difficile, en tout cas pour l'autorité, d'autoriser Déjà que euh, dans ce sens. Quoi. Rufai Dandoua, est-ce que le contexte sécuritaire, souvent avancé par les autorités, au début des premières interdictions, se justifie encore aujourd'hui pour interdire ces C'est un, prétexte que l'autorité prend et je pense que c'est parce que quelque part l'autorité sait aujourd'hui qu'après avoir décapité la, le mouvement, ils savent qu'aujourd'hui, même s'il empêche cela, rien ne va arriver vous voyez, avant, quand les, leaders étaient là, si on empêchait, il euh, y, avait, y avait des bruits euh, à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, depuis qu'on a empêché ça, on n'a a rien entendu. C'est dire qu'aujourd'hui, ils ont compris que ceux qui sont là, qui ont pris la relève, n'ont pas eh, les épaules larges pour assumer cela. Et aujourd'hui, si on empêche, rien ne se passe. Et c'est ce qu'on voit. Même les déclarations qu'ils font, avant, quand on empêchait, le jour ou le lendemain, il y a une contre-déclaration, par exemple, des acteurs, les, principaux acteurs. Aujourd'hui, depuis qu'ils sont là, qu'ils ne sont pas là, ça ne se fait pas. C'est pour ça que je vous dis. Seulement, on les entend, en tout cas, par. par même, même, sur les réseaux sociaux, tu, ne vois pas grand-chose. C'est pour ça que je vous dis que dans ce pays, les gens ne sont pas encore prêts ou ne sont pas encore aptes de faire des revendications qui peuvent pousser l'autorité politique et à, se retirer face à quelque chose. C'est vrai, il y avait eu la, première fois lorsque en 2005. il y avait eu cette contestation et, ces manifestations grandioses qui ont poussé le, gouvernement de Niamey à l'époque de, reculer. Mais aujourd'hui, il n'y a plus, il a plus cela. Même les acteurs de la société civile ont peur de faire certaines choses. Donc, lorsque l'autorité a compris que ces acteurs de la société civile eux-mêmes ont peur, donc ils peuvent se permettre euh, tout ce qu'ils veulent. Euh, Ousseini, ça, le contexte sécuritaire, sécuritaire qui avance. moi, je veux dire, parce que j'ai connu le mouvement de 2005, je sais de quoi je parle, parce que c'est un contexte que j'ai connu. C'est qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup de liberté ce qui manque aujourd'hui. Parce que tout simplement, à l'époque, quand les gens appelaient aux journées ville on ne les prenait pas pour les jeter en prison. Aujourd'hui. La première Jacqueline, comme, la, c'est 2006. 2005. C'est 2005. La première lutte contre la vie chère, c'est 2005. Nous, parlons d'aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui. Parlons. 2006. Dans des prisons différentes comme c'est 2006, en 2005. Non, c'est en 2005 la première C'est en 2006. La non, non, non. On a renvoyé, on a repris le mouvement en 2006. En 2005, le mouvement de 2005, où il y a eu des journées et tout et tout. C'est en 2006, quand ça voulait être renouvelé, c'est à ce moment que les Moustapha et autres ont été distribués, ont, euh, ventilés dans les prisons, dans différentes prisons du pays. C'est quelque chose que je connais. C'est quelque chose que je peux sortir. À Ousseini, parlons de ce qui se passe actuellement par rapport à, à, à, On a vu, Ella Suleiman avait dit qu'en tout cas, euh, cette dernière Jacques euh, intervient dans le un contexte où euh, cette déchéance de Hamas Hama a été... Mais, mais, mais, le, contexte, quand on regarde un peu le contexte, il dit que on a, ils font des revendications politiques. Moi, j'ai dit, c'est d'abord, c'est des revendications sociales quand on demande à ce que le gouvernement revienne sur les mesures antisociales, les nouvelles mesures fiscales contenues dans la loi. En quoi c'est politique En 2005, c'était la même chose sur un certain nombre de produits. Aujourd'hui, les gens sont en train de ressentir ça durement sur l'électricité, sur un certain nombre de produits. Et ça va continuer. C'est le combat qui est en train d'être mené. Que des gens sortent pour dire que non, c'est politique, ils veulent non. Ce n'est pas une affaire de politique. Aujourd'hui. Les votre loi ou bien, ou, bien vous s'en allez. Vous savez, en fait, en réalité, ici, d'une certaine. Bon. Suleiman, il va finir, il va finir euh, rapidement. Euh, finir rapidement. oui. Des gens sont au pouvoir. Une loi. Ils, ont, ils sont allés jusqu'à faire une proposition, des propositions pour dire on va discuter pour trouver les créneaux dans lesquels on peut, l'argent que vous cherchez là, on peut trouver en 2005, on a créé Kazarif, ou comment ça s'appelle, où Maro était vice-président de cette institution-là. Celui qui a été vice-président avec le DGI de l'époque, lui, il était président, Maro était vice-président. Hmm. Ils ont pu trouver des mécanismes parce qu'ils ont dit que sur les, les, impôts fonciers, les, impôts on pouvait prendre de l'argent. Ils ont été écoutés. Mais pourquoi aujourd'hui il n'est pas possible de dire à ces gens, venez, vous avez des propositions à nous faire, venez, on va discuter. Oui, parce qu'il y a une inversion de rôle. non, ils ont fait le rôle parce que Kazarif, quand, quand, ils l'ont créé, quand, ça a été mis en place, c'était justement pour trouver un mécanisme. L'argent que vous cherchez, nous, on sait où on peut prendre. Pour vous, vous faites cette comparaison où en 2005, il, y avait, cette possibilité d'écouter. d'écouter. il y avait cinq, il y avait quatre 3, 4 à 5 euh, produits sur lesquels on voulait. Ousseini, Ousaini vous, vous voulez faire cette comparaison avec 2005 pour montrer qu'à l'époque, il y avait encore cette possibilité d'écouter les acteurs, contrairement à, à aujourd'hui. Oui, euh, euh, que voulez-vous dire, Suleiman Mamadou Jusqu'à preuve du contraire, à l'endroit de mon confrère Ousseini Issa, c'est en 2005 Bien, ça, nous n'allons pas revenir à ça. Euh, bon, on n'a pas assez de temps pour revenir Je suis, je suis en train de dire que, oui. Euh, vous savez, euh, nous sommes des démocrates, nous sommes avec ces gens, on a évolué ensemble, les acteurs de la société civile comme les acteurs politiques. Mais je dis, faisons bien attention et ne pas inverser les rôles. En lisant, récemment les leçons du pouvoir de Hollande, il a dit qu'en France, c'est dans la Constitution, il est donné au, au chef de l'État le pouvoir pour le budget. Pour faire passer le budget, il peut passer outre le Parlement. Pour dire que c'est important, c'est un instrument important pour le gouvernement. Donc, vous ne pouvez pas euh, faire obstruction, en tout cas bloquer euh, euh, un gouvernement pour sa loi des finances, parce qu'à ce moment-là, vous l'imputez de moins, en tout cas essentiel, euh, parce qu'en fait, nous sommes en démocratie. Bien. Nous sommes démocratie. Allons, nous allons passer au. Bien, nous avons bien entendu une phrase. Euh, il y a une chose que je ne comprends pas. Quand, on dit que les revendications sont politiques, euh, tout, problème social est politique. Parce qu'il est, est posé dans un contexte politique. Donc, qu'on dise que c'est politique, je pense que c'est un argument qui ne tient pas. Euh, le mardi 26 juin 2018, le tribunal de Niamey a débouté Abdoulabo dans l'affaire qui l'oppose à ses camarades de la même formation politique, euh, la CDS Rama. Certains militants, en effet, de la Convention démocratique euh, ne veulent plus le voir à la présidence de leur parti. La Cour a constaté, je cite, la déchéance de Abdoulabo de la présidence du parti politique CDS Rama suite à sa condamnation à un an d'emprisonnement par, arrêt numéro 31-17 en date du 13 mars 2017 de la Cour d'appel de Niamey. Fin de citation. Cependant, Abdoulabo dispose encore de 15 jours pour faire appel de cette décision. Rufai Dandoua, comment voyez-vous la carrière de euh, la carrière politique donc d'Abdoulabo après sa condamnation et sa déchéance euh, au poste de président du parti CDS Rahama Il faut dire que ce n'était pas une carrière très, très reluisante. Et pour qui connaît l'histoire politique du Niger, et Lobo a été soutenu, il a été même si on peut le dire, pour faire euh, le combat à un moment face à, à Chef, à Chef déjà. À l'époque, Ousmane voulant se débarrasser de, des chefs où ils ont poussé Labo, Labo a pris la place. Et maintenant, on l'a poussé aussi pour faire le combat contre euh, Ousmane. Il a eu le parti. C'est pour ça quand les gens disent que politique, il n'y a pas de confiance, comme on dit Babou Amana, mm. je pense que c'est faux. C'est ça aujourd'hui. Dieu ne dort pas. Hein ne dort pas, Dieu faisant bien les choses, voilà un monsieur qui, qui a été téléguidé. C'est pas un enfant. Moi, je me rappelle une fois, je ne pas c'était quel congrès au palais des sports de Niamey où il y avait eu déjà des tiraillements entre Labo et, Ousmane. Un congrès. Oui, un, congrès qui n'avait pas fini jusqu'à 4 heures du matin. Les journalistes, on été là-bas, je me rappelle. J'ai posé une question à, à Labo, je me rappelle bien. Est-ce que vous n'avez vous n'êtes pas téléguidé. À l'époque déjà, il mm. disait, vous pensez que moi, à mon âge, à 60 ans, c'est ce qu'il m'avait dit, la mm. réponse qu'il m'avait donnée. Vous pensez qu'à 60 ans, moi, on peut me, me, me pousser. Mais vous, c'est l'impression que vous avez aujourd'hui encore. Déjà, on savait qu'à l'époque, c'est pas, c'est pas maintenant, hein, je ne vous mm-hmm. parle pas de maintenant. Mm-hmm. Il y, a, y y, a, des années, j'ai oublié. À l'époque, déjà, on savait qu'il était poussé par qui pas, pas, pas, pas dire parce qu'on a bien, elle a, bien. Suleiman Mamadou donc donc c'est pour, pour vous dire, oui. à l'époque déjà on pensait cela aujourd'hui Labo tiré il a eu le parti au même de Mosson. Aujourd'hui, c'est le même petit de Maman Ousmane et Abdel Kadri que Osman Abdelkadri, que, que Ousmane avait voulu eh, faire eh, un futur leader, que lui-même a, été, pressé, il a quitté Ousmane, il est venu avec la Et c'est aujourd'hui lui qui conteste le parti à la C'est pour vous dire que quoi que tu fasses dans, ta vie, dans la vie, on te le fera tôt ou tard. Alors, est-ce que Rufai, pour finir, euh, parce que nous n'avons plus le temps, dernière question, est-ce que vous pensez que cela pourrait arriver au président du Modern Falmana, Hamamadou, qui est pratiquement dans le même cas de figure déchu Oui, mais, il, y la jurisprudence, dans, tous les cas, on parlera. c'est de la même eh, affaire, l'affaire d'être des bébés emportés. C'est elle qui a emporté le beau, qui, qui, l'a fait déchoir choix de, son, poste de, député. C'est elle qui lui dit aujourd'hui qu'il ne peut pas être président d'un parti. Donc, c'est la même même chose et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bien, euh, ma justement Mahamadou, cette affaire de Abdoulabo, comment vous, vous voyez la carrière politique euh, En tout cas, nous, la, nous avons titré euh, au niveau de républicain, c'est la fin de Haruko chez Labo et En tout cas, c'est d'un point de vue du droit, il n'y a pas de solution. des game C'est fini pour eux pas pour Abdou pour les deux. Pour les deux, pour les deux justement, pour les deux. Mm. Aujourd'hui, la, même logique, quelqu'un porte plainte au sein de l'Oumana contre Mohamed, effectivement, on va dire qu'il n'est pas habilité à résoudre le parti. Donc finalement, ils sont aujourd'hui vulnérables parce que simplement, ils sont condamnés. Donc, d'un point de vue de la loi, il n'y a pas de solution, c'est cela. Donc, euh, moi, je pense que, contrairement à ce que Rufai entendait dire, c'est logique ce qui est passé au niveau du parti CDS Rahama. Euh, Moutari, euh, en tout cas, il, euh, a, en fait, il a dit tout simplement que, ah, que vous n'êtes pas habilité à diriger le parti, il faut tout simplement quitter la présence du parti pour être président d'honneur. Hmm. C'est une, question de logique interne. Mais il n'a pas voulu, pour son négociation, en tout cas, accepter cela. Je pense que si, à partir du moment où vous ne pouvez pas être, en tout cas, candidat, il faut vraiment savoir aussi, c'est le cas aussi de Lumana, il faut savoir, en tout cas, aujourd'hui, si tu es la place avant, ah, mais absolument, que cela ne avant que, ça vous quitte. Donc aujourd'hui par exemple au niveau de Moana tout celui qui le, soutient, mais c'est toujours la même chose. Euh, bon. Bien. Euh, Issa, nous terminons avec vous. Il ne nous reste oh, ben, plus que deux minutes. Ben, D'abord, euh, comment vous voyez euh, ce qui se passe Moi, Mouta, je le connais. Je le connais personnellement très bien. Je le connais très bien. Mm. Tout était tracé tout était dans le combat. Contre, le contre, Maman Souman, il était pleinement impliqué. Il fallait dégager Maman Souman. Ça a été dégagé et puis bon, ils ont continué le combat ensemble. Aujourd'hui, comme le schéma est déjà tracé, aujourd'hui c'est l'autre là labo. <laughs> Finalement, l'épée est tombée. Il fallait le dégager pour mettre quelqu'un qui va peut-être continuer à soutenir. Game comme, comme disait euh, El Suleiman, pour vous aussi, vous pensez pour Abdullah, même si en tout cas il dispose euh, encore de temps pour faire appel de cette décision de justice. Tout ça là, tout ça là, moi j'ai dit, c'est un processus qui a été mis en place et le processus continue. Et Roufa, il va finir. Roufa, tu as fini tes minutes. Non, je suis désolé, Roufa, tu as fini tes minutes. C'est un processus qui, oui. qui a été mis en place. Le processus va aller jusqu'au bout. En tout cas, ils vont tenter de, continuer le processus. Et par rapport au cas de Hamamadou Mais justement, j'ai dit, c'est un processus qui est là. Ce processus-là, c'est que ça va continuer. Maintenant, bon, pour le reste, Dieu seul peut déterminer. Roufaï, un dernier mot J'ai vu personnellement de mes yeux Ousmane qui venait chez Moutari. Moutari était très jeune, c'était le plus jeune député à un moment. C'est pour vous dire oui, qu'il a été trop pressé quitter Ousmane pour aller chez Labo pensant qu'il allait avoir quelque chose et il n'a rien eu. Aujourd'hui, il est là et lui-même, demain, aura les mêmes conséquences. Bien, merci à vous tous. Fin du forum de la presse de ce soir. Merci, chers auteurs, de l'avoir suivi. Nous étions en compagnie de nos confrères Roufa et Dandoua. Elaj Suleiman Mamadou et Husseini Issa, merci à vous. RDV demain samedi, mais aussi dimanche de 17h15 pour les forums en Hausa et en Zarma. Raki Arimi et Chateau Mamadou seront avec des femmes battantes pour parler de la mobilisation des femmes nigériennes dans les formations politiques. Présentation à Lassane Kouzi Mamadou. Bonsoir.